le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, Il est exactement 18 heures passées de 15 minutes dans le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangu. Vous avez au micro pour la présentation de ce soir Michel Dji. Je rappelle d'abord que les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Amphani FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Alit, Filengue, Birnengaure, Chirozérine, Magaria, Mainosoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu, notre site internet euh, www.studiokalangu.org. Fidèles auditeurs, nous avons le plaisir d'aborder dans le présent numéro de votre forum la question de la littérature nigérienne et la place qu'elle occupe dans le monde. Nous le savons, de par sa définition, la littérature se présente comme étant l'ensemble des œuvres écrites et orales à partir d'une langue comme moyen d'expression. C'est surtout un vocable qui est utilisé pour désigner un ensemble de productions littéraires ou d'un genre propre à une époque donnée ou à un pays précis. Ainsi, on peut parler du pré-romantisme, du dadaïsme ou du nouveau roman selon leur période de parution ou simplement de la littérature française, haïtienne ou nigérienne. Et c'est ce dernier aspect qui nous intéresse. Il sera donc question avec nos invités dans ce forum de voir rapidement ce que c'est que la littérature nigérienne, qui en sont les piliers, comment la littérature nigérienne a-t-elle connu son ascension est-elle suffisamment enseignée à l'école Arrive-t-elle de plus en plus à franchir les frontières nationales et enseigner à l'étranger Ou serait-elle en déclin de nos jours Quelles sont ses forces et faiblesses actuellement Tout comme le sport, la musique ou la culture, la littérature est aussi un puissant instrument pour faire découvrir les talents et les riches potentialités d'un pays Comment alors sauver la littérature nigérienne et la rendre plus attractive au monde extérieur Autant de questions et bien d'autres auxquelles nous allons nous intéresser tout au long de ce forum de trois quarts d'heure. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous trois principaux acteurs du domaine. Ils sont tous des gens de lettres. Il s'agit d'abord du secrétaire général de l'Association des écrivains nigériens, Omar Kadri Koda, qui est auteur du célèbre roman Ancre amère. Bonsoir Omar. Bonsoir. Un autre euh, invité que nous avons ce soir, c'est M. Boubé Hama. Il est écrivain, poète, euh, nouvelliste, romancier. Il est auteur euh, de plusieurs ouvrages littéraires et en mars dernier, il a eu à obtenir un prix important organisé par l'association Arts et Lettres de France. Il s'agit donc de Boubé Hama. Boubé Hama, bonsoir. Bonsoir. Un troisième invité, lui, il est ancien enseignant, professeur de français et auteur de quelques nouvelles et recueils de poèmes. Il s'agit de Soumana Chamsou. Monsieur Chamsou, bonsoir. Bonsoir, chers invités, et merci d'avoir répondu présent à cette euh, invitation. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Soumane Chamsou, vous qui enseignez la langue française euh, aux lycéens. Hein. Comment vous leur définissez la littérature euh, nigérienne La littérature est un concept dont la définition est variable dans l'espace et dans le temps. Il y a plusieurs définitions que nous donnions, mais en fonction des objectifs visés, euh, parce que en seconde, les premières définitions qu'on donne, c'est qu'on veut que l'élève comprenne que la littérature, c'est l'ensemble des productions écrites visant euh, l'esthétique, visant le beau. Donc toute production écrite ou orale qui a pour objectif de tirer du plaisir, de donner du plaisir au lecteur ou bien à l'auditeur est considérée comme littérature. Dans le cadre de l'enseignement de la dissertation, on va plus loin puisque euh, il s'agit maintenant de comprendre que euh, la littérature est un genre artistique, c'est-à-dire qu'on classe la littérature parmi l'art et dans ces conditions, il, fallait aller plus loin dans la définition, euh, elle ne peut pas être superficielle. Là, les définitions sont tellement nombreuses, mais on peut dire que la littérature, c'est un moyen donné à l'écrivain de dévoiler le monde aux autres hommes pour que ceux-ci prennent en face de l'objet mis à nu leur entière responsabilité. C'est-à-dire, euh, on veut dire que la littérature a pour objectif de moraliser, la littérature a pour objectif euh, d'éduquer, de sensibiliser, et la littérature est un véhicule de civilisation d'un peuple pendant une époque précise de son évolution. Qu'en est-il de la définition de la littérature nigérienne, puisque c'est cela que nous allons aborder particulièrement Si on veut définir la littérature nigérienne, il faut euh, préciser seulement euh, les valeurs civilisées du peuple nigérien. Donc c'est l'ensemble des productions écrites ou orales appartenant au peuple nigérien euh, qui vise l'esthétique, qui vise le beau. On peut à ce niveau parler des auteurs nigériens également. Oui, dès lors qu'on parle de littérature, c'est il faut forcément parler de leur auteur, c'est-à-dire il y a des œuvres collectives comme des œuvres individuelles. Donc on est obligé de parler d'auteur, puisque euh, si on parle de la littérature orale, euh, l'auteur est peut-être absent, inconnu, mais dès lors qu'on parle de littérature écrite, il faut forcément un auteur. Nous avons également notre compagnie, M. Kadri Koda. M. Kadri, en tant qu'écrivain nigérien ayant une grande expérience dans le domaine, pouvez-vous nous dire, sans être exhaustif, bien sûr, les personnes de votre génération ou celles précédentes qui ont contribué au rayonnement de cette littérature au niveau euh, national Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association des écrivains du Niger. Bonsoir, euh, Michel. Bon, euh, voilà, le Niger a eu des moments de gloire. La littérature nigérienne a eu des moments de gloire dans les années 110, euh, voire 80. Ceux qui ont contribué à rehausser l'image du Niger dans le domaine sont hum, Boubou Hamad, que tout le monde connaît, qui a eu un, dont le, roman roman Anima a eu le grand prix littéraire d'Afrique noire. Et il y a Ideo Moro, dont le roman Gros Plan a eu le Grand Prix littéraire mm. d'Afrique noire et je vous assure, on a eu en ce moment déjà deux, deux lauréats pour ce Grand Prix littéraire d'Afrique noire alors que beaucoup de pays de la sous-région n'en ont même pas eu un. Mais maintenant, elles sont en avance sur nous sur le plan de la production littéraire, qualitativement et quantitativement. Bon, écoutez, la littérature euh, nigérienne, je dirais qu'elle vient de très loin parce que je parle sous le contrôle euh, des autres, je crois qu'il y a eu euh, un moment, une sorte de, ce que j'appellerais une sorte de rupture, je crois, entre les générations. L'actuelle génération, je crois qu'elle n'a pas dû se faire réellement aider par euh, la génération précédente, plus aguerrie. Et du coup, à mon avis, cela a contribué à une production euh, littéraire qui, des fois, dont la qualité, des fois, laisse à désirer. Monsieur Kadri pensez-vous que la littérature nigérienne à laquelle vous consacrez quotidiennement aussi bien votre temps que votre énergie est assez enseignée dans nos écoles et même à l'étranger, c'est-à-dire euh, de la même manière que nous apprenons sur les bancs à connaître des auteurs comme Seydou Badien, Aimé Césaire, Diop, ou Voltaire. Est-ce que c'est le cas pour nos écrivains nigériens à l'étranger D'abord, au Niger, je passe le contrôle de l'enseignant. Euh, les enseignants nigériens ne valorisent pas leurs auteurs. Ils les enseignent très très peu à l'école ou quasiment pas. Je parle sur le contrôle de l'enseignant. Mhm. parmi les auteurs nigériens qui sont dont les ouvrages sont étudiés à l'étranger, par exemple dans les facs, c'est qu'il y a, entre autres, le présentant et le gros plan de Ido mhm. Et, aussi, je crois que c'est vraiment c'est un sérieux problème parce que tant que les œuvres des écrivains nigériens ne sont pas étudiées chez eux, comment est-ce que les écrivains nigériens se feront connaître ailleurs. Et mieux, par exemple, à côté de nous au Burkina, ce n'est pas les classiques, euh, ce n'est pas les auteurs anciens burkinabés qui sont seulement étudiés hein, dans les universités. Sophia Edikam, toi tu l'as, je t'ai parlé d'elle, elle est étudiée à l'université d'Ouaga. Ces ouvrages, pourtant on est de la même génération, les mois. Voyez-vous. Je crois que euh, là, il y a vraiment un sérieux problème. Les enseignants, je sais à l'université qu'il faut voir ça. Et surtout qu'il y a un problème encore qui se pose. Euh, tout évolue dans la vie, et même les arts. Les genres littéraires évoluent. Et, et les enseignants continuent ici d'enseigner les classiques. Ils sont merveilleux. En tout cas, bien sûr, ils continuent d'enseigner les classiques aux élèves les mêmes ouvrages que nos grands-parents ont <laughs> étudiés. Alors que euh, la nouvelle, le roman et la poésie évoluant, hein, ils mettent pas, euh, ils sont pas à jour eux-mêmes par rapport à cette évolution-là, plus forte raison de la partager avec leurs élèves. Euh, je ne sais pas, c'est une sorte de paresse intellectuelle, je ne sais pas. Nous avons également Monsieur Boubouhama, vous êtes euh, écrivain, vous êtes euh, auteur de plusieurs euh, œuvres dont Afrique pleure à l'Afrique et vous avez décroché en mars dernier, on l'a dit, un prix. Vous, quel constat vous faites en tant que jeune écrivain Vous avez le même nom que l'auteur prolifique, à savoir, je veux dire, Boubou Hama. À votre niveau, quelle est votre lecture de la situation actuelle de la littérature nigérienne Bien, euh, tout d'abord, euh, permettez-moi de, féliciter pleinement cette initiative de la radio Kalangou. Le studio Kalangu. Le studio C'est une très belle œuvre à saluer et à encourager. Hum. Alors, parlant de la littérature nigérienne, tout comme l'ont dit mes prédécesseurs, en fait, euh, il y a eu des moments où elle battait son plein essor et des moments où euh, c'était quasiment faible parce que il euh, y a un grand fossé quoi entre euh, les deux générations. Et pour un peu atténuer, je dirais que à l'état actuel, la littérature nigérienne ne se porte pas bien. Voilà on ne peut pas parler du déclin de la littérature nigérienne parce que il euh, y en a encore qui croient en eux, mhm. à ce qu'ils font et aussi euh, à leurs compagnons. Du coup, en un, mot, je peux dire que elles se portent bien, pas bien. Voilà. On va compléter avec euh, l'enseignant. Il y a l'autre, euh, le secrétaire général de l'association des écrivains nigériens qui a dit que euh, vous ne considérez pas beaucoup la littérature nigérienne. Monsieur Souman Chams. moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que l'enseignement ne valorise pas les œuvres de la littérature nigérienne. puisque chaque année, mhm. il y a au niveau des programmes de lycée, euh, c'est vrai, nous l'avons décrié au collège, il n'y en a pas. Mais au lycée, seconde, première, terminale, il y a une bibliographie à noter qui est donnée euh, au début de chaque année à la rentrée scolaire aux élèves. Euh, il y a, que ce soit seconde, en fonction des thématiques étudiées, on donne un certain nombre d'ouvrages. Et il y a forcément des œuvres de la littérature nigérienne dans ces programmes. Mais ce n'est pas une responsabilité ni du pouvoir public, ni des enseignants, ni des élèves. C'est qu'il y a un problème sérieux de la littérature nigérienne puisqu'elle n'est pas disponible sur place. C'est-à-dire Vous ne pouvez pas trouver les ouvrages. Aujourd'hui, les grandes écoles qui disposaient de bibliothèques les bibliothèques ont été alimentées depuis Kunche. Maintenant, donc ça veut dire que on ne peut trouver que les ouvrages classiques. Mm. On ne renouvelle pas hein, les bibliothèques, ce qui veut dire que l'élève, il peut, il n'a pas peut-être cette volonté, cet engouement d'aller chercher ailleurs. Si on lui demande de lire un ouvrage, s'il cherche dans sa bibliothèque locale, il ne trouve pas, il dit, monsieur, je n'ai pas trouvé, il faut me changer l'œuvre. Et on est obligé de changer l'œuvre. Ce qui peut dire que vraiment, il y a un problème de disponibilité de nos œuvres, sincèrement. Ça veut dire que dans la bibliographie, même le peu d'auteurs euh, nigériens qui sont prévus, qu'on donne, ne sont pas étudiés. Leurs œuvres ne sont pas étudiées. Leurs œuvres sont étudiées par c'est-à-dire l'enseignant dispose d'un ouvrage. Par exemple, moi, chaque année, j'ai les ouvrages, mais je ne peux pas donner mes ouvrages aux élèves parce qu'ils ne vont pas ramener. Donc, il faut photocopier des passages qu'il faut étudier, des textes, des extraits. Ça veut dire, et ça ne fait pas l'étude hein, intégrale de l'œuvre. Ça ne permet pas à l'élève de découvrir, de faire une lecture personnelle de l'ouvrage, de comprendre. Mais ça veut dire, moi, je me contente seulement de, la thématique enseignée avec des, extraits choisis et je les propose et on, on les découvre ensemble. Ça ne donne pas, hein, euh, ça ne donne pas. Je vais vous donner un exemple. Euh, l'encre amère de Cadre, il m'a donné l'ouvrage. J'ai étudié des poèmes, j'ai fait commentaire avec des poèmes. Du secrétaire général qui est là. Exactement. Mais j'ai demandé aux élèves de lire il n'y a pas un seul élève. Ça fait plus de trois ans. Hein, les élèves, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit la trouver l'œuvre. L'œuvre devient indisponible. Tu cherches l'œuvre, tu ne trouves pas. Monsieur Kadekoda, oui, euh, il, a, il soulève à ce niveau un eh, problème. Et il a essayé donc de faire euh, la promotion de votre ouvrage et voilà que ce n'est pas C'est un problème sérieux en effet qu'il a abordé là. Euh, la plupart d'entre nous publions hum, chez des éditeurs à l'étranger, notamment en France parce que euh, l'édition au Niger, euh, c'est pas très très sérieux, je suis désolé. Et puis quand nous publions aussi à l'étranger, nous avons euh, un grand problème de faire venir le livre ici, parce que voyez-vous, mon dernier, c'est la cicatrice. La cicatrice a été publiée chez Livre en septembre 2016. Qui est une nouvelle cet exemplaire-là que j'ai, c'est une amie qui rentre de Paris, qui me l'a payé. Je n'ai eu que trois exemplaires en tout. Et je ne suis pas encore entendu avec un quelconque euh, libraire pour qu'il puisse en commander. Et du coup, effectivement, euh, le problème de disponibilité de nos ouvrages se pose. Certains d'entre nous euh, on lui courage d'en acheter plusieurs dizaines, qu'il faut en vendre. Truc, bon, moi, je suis pas dans ce. Je, pas, non, suis pas dedans. Et effectivement, le problème se pose sérieusement. Très, très sérieusement. Mais, à mon avis, il se pose parce que euh, dans la chaîne du livre, il y a des maillons qui ne fonctionnent pas bien. Quand même, et aussi, Shamsou euh, peut aussi être, je crois, d'accord avec moi que malgré le problème de disponibilité de nos œuvres, nous avons aussi un. Bon, par exemple, le problème avec Ancramer, c'est que je ne suis pas à la fin entendu avec l'éditeur. On a arrêté. vous Donc on a l'impression que c'est des difficultés d'ordre financier, on peut dire. Bon, d'ordre euh, financier, moi je ne publie pas à compte d'auteur. Ça, c'est l'éditeur qui a mis son argent. Mhm. Euh, tout celui qui veut l'acheter il n'a qu'à s'adresser à l'éditeur. Moi, je ne vais pas acheter ça à. Ça fait 8 euros. Je ne vais pas acheter ça et revendre. je ne passe pas, je ne vais pas faire ça. 8 euros, c'est un, peu euh, près, un peu près de 6 000 francs. Voilà. Par exemple, normalement, il y a des lois internationales qui détaxent les commandes de livres ou de matériel d'imprimerie j'ai rencontré récemment un des représentants de la librairie La, la du livre qui m'a dit que pour commander l'ouvrage d'une écrivaine nigérienne, elle a eu des problèmes parce que la douane l'a sérieusement taxé et le livre, elle a commandé lui va coûter 18 000 là-bas et elle vend ça à 14 000 ici. Alors, ah, je vais mettre qui dans cette aventure Ça veut dire que ça devient inaccessible. <laughs> est-ce que vous, M. Monsieur est-ce que vous faites face à ce problème qui paraît d'ailleurs être un défi à relever Très bien. En fait, euh, moi, j'aimerais intervenir euh, d'une manière ramassée mhm. sur deux, trois petits points. Alors, il y a d'abord euh, de l'intervention de M. Omar au niveau de la littérature nigérienne qui n'est pas enseignée à l'école, je suis entièrement d'accord avec M. Chamsou. En fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas enseignée. Le ministère des enseignements secondaires et supérieurs, c'est-à-dire le secteur en charge même de, ce, comment on appelle, de ce euh, secteur, a eu, je pense, très bien à élaborer un programme à travers lequel des ouvrages nigériens ont été insérés et à y être enseignés aux élèves à l'école. Alors, la faute, elle est vraiment lourde et partagée à plusieurs niveaux. Elle est bel et bien enseignée à l'école. Tout comme l'avait dit M. Samsou, c'est les ouvrages qui sont indisponibles. Alors, pourquoi cette indisponibilité des ouvrages Il faut noter qu'il y a deux types d'édition. Il y a l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'éditeur. L'édition à compte d'éditeur ne bénéficie nullement pas en aucun cas un auteur. C'est-à-dire ça le défavorise euh, entièrement. Pourquoi Parce que l'éditeur, il met son argent, pas totalement. Premier plan. Deuxième plan, de la manière dont vous lui avez envoyé le manuscrit, les éditeurs, ce n'est pas tous qui sont sereins. Comprenons. Alors, vous voulez balancez le manuscrit, ils lisent, comité de lecture a choisi votre manuscrit, il passe ça les corrections, elles sont où Les tournures de style, de figure, elles sont où Parce que c'est ce qui fait la force et qui donne la qualité à un ouvrage. Euh, l'édition à compte d'auteur, exactement, c'est là où ce n'est pas donné à n'importe qui. Pourquoi Parce qu'il faut débourser de l'argent des sommes colossales. Pourquoi Moi, euh, j'ai fait trois ouvrages à Edilivre. Rassurez-vous que si vous faites un ouvrage à, Edilivre, vous resterez toujours méconnu. C'est un éditeur, je le discrédite, euh, on appelle discrédite pas ici, encore moins le décrédibiliser parce que il est de l'autre bout de la mer, nous sommes de ce côté, moi, j'ai eu à les écrire pour leur dire bon, écoutez, j'arrête avec vous. Hein. parce qu'il y a des gens qui partent dans les FNAC à Paris, des amis qui cherchent dans les rayons, ils ne trouvent pas mes œuvres. Mais ça veut dire quoi Or, dans le contrat, c'est bel et bien écrit, sur noir sur blanc. Nous vous envoyons à Amazon, à la FNAC, nanani, nanana, mais où ça Où ça Encore un autre point qui fait la rareté des ouvrages nigériens, surtout de notre nouvelle génération, je ne peux pas comprendre. Un, nous éditons en Europe. Deux, on colle un prix supérieur à la brousse d'un Nigérien moyen. On ne peut pas éditer un ouvrage et lui donner 8 euros, 9 euros, 10 euros. J'avoue qu'ici à Niamey, si vous prenez 10 lecteurs, du moins 10 citoyens, parce que lecteur, c'est trop osé, lecteur, il doit acheter parce qu'il est dans les besoins. Parce qu'à travers la lecture, on se cultive, on voyage, même si on n'a pas été dans le pays. Sur 10 citoyens, vous avez à peine 2, 10, hein, à peine 2 qui peuvent vous acheter un ouvrage à 5 000. Alors, l'un des profits de l'édition à compte d'auteur, euh, sur quelque chose que vous pouvez payer genre 2 euh, 2,5 millions, 5 euh, vous négociez à le faire 1,5 et pour faire la promo de votre livre et de vous-même en tant qu'auteur, vous l'amenez et vous le vendez à 2000 francs CFA. Là, vous gagnez. Pourquoi Parce que tout simplement, l'ouvrage sera disponible hmm. en quantité. et en fait, à tous les niveaux, du moins dans les écoles, lycées, collèges, même à l'université, l'ouvrage peut être disponible. Pourquoi Parce que vous vous êtes fait éditer à compte d'auteur. Voilà l'un des avantages en fait de l'édition à compte d'auteur. Encore, d'autres avantages de l'édition à compte d'auteur, vous payez pour passer à la chaîne de correction, la réécriture. Mmh. Parce que c'est les professionnels qui vont travailler ça. Et rassurez-vous que derrière chaque écrivain, c'est toute une entreprise. Il y a au moins une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Pour, ceux qui pour les écrivains indépendants et pour ceux-là qui travaillent avec les maisons d'édition, ils doivent payer tout même l'indépendant. Parce qu'au niveau de la maison d'édition aussi, c'est une équipe. Ça fait toujours l'équipe de l'auteur. Alors, nous avons des maisons d'édition et pourquoi Je viens, s'il vous plaît, euh, par rapport à, des maisons d'édition en Niamey ou en fait au Niger, je vais être très clair, mhm. Monsieur Omar l'a souligné, il n'y a pas de maison d'édition au Niger. Il n'y a par exemple pas. J'en connais une par exemple. Moi, je mesure. Afrique Lecture. monsieur Michel, laisse tomber cette affaire d'Afrique Lecture. Je vous dis qu'au Niger, il n'y a pas de maison d'édition. Et ça s'arrête là. Comment solutionner cela quand même Puisqu'il y va de l'intérêt de la jeunesse, nous voyons bien que la jeunesse a bien envie de connaître euh, les odeurs euh, nigériennes. Alors, nous, savons par exemple, euh, il y a moins de six mois, Adam Idé, j'ai eu le grand plaisir de participer à la dédicace de son ouvrage, mais à la fin, on a dit que ça coûte 15 euros. Ça veut dire 15 euros, c'est en moyenne 10 000 francs. C'était la parenthèse du fleuve. Donc finalement, les scolaires qui étaient présents et tout ceci, euh, c'est comme s'ils l'ont passé au livre. vous dire que si vous éditez un ouvrage et que c'est pour le revendre en fin de compte à 15 000, vous ne le faites pas. C'est-à-dire, vous avez une cible. Vous ne le faites pas pour, je ne sais pas, toute une classe de lecteurs. Vous le faites uniquement pour votre cible. Et c'est qui votre cible Ça ne peut être votre entourage. Mhm. Vous comprenez on voit bien que les gens ont des bourses très faibles. Oui, monsieur le secrétaire général. En fait, dites-nous comment vite euh, remédier euh, à ce problème, parce que finalement, l'enseignant euh, l'a dit, et lui, en tant qu'écrivain, il l'a confirmé. Comment trouver des solutions à ce problème Avant d'arriver à ce problème, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui est la mhm. suivante. L'édition à compte d'éditeur, faut pas la discréditer c'est votre choix en fait. J'arrive. L'édition à compte d'auteur, non, il y a quelque chose. Mhm. L'éditeur, c'est quoi C'est un commerçant. C'est pas un enfant de cœur, c'est un commerçant qui juge ton produit bon, vendable. Il met son argent dedans, il prend ses risques, le risque qu'il faut pour produire ton ouvrage. Et dedans, effectivement, selon ton importance dans le milieu, ton pourcentage, ton pourcentage varie de 8 à 12, voire 14 mm-hmm. Et c'est lui qui fait la promo. Et il y a une chose, beaucoup en beaucoup de lieux, on fait la différence entre un éditeur, non, un écrivain publié à compte d'auteur et un écrivain publié à compte d'éditeur. Dans beaucoup de... Quand tu participes à certaines résidences, quand tu, quand tu dépose un dossier pour certains, pour certains concours. Ça se précise. Juste, c'est très important de se faire éditer par une grande maison d'édition qui reste son argent pour t'éditer. Nous avons des potentialités alors qu'il faut euh, faire valoir en ce qui concerne la littérature. Euh, comment alors euh, des solutions par rapport aux inquiétudes et aux préoccupations qui ont toutes été dégagées par les deux qui viennent de vous précéder je disais tantôt que euh, qu'il y a des problèmes au niveau des maillons de la chaîne du livre. Et je dirais que le problème, il est général. Il y a euh, tous les maillons ont des problèmes. Partons du côté des producteurs, nous autres écrivains, nous ne sommes pas très très bien. Nos associations ne sont pas très bien organisées, où il y a à leur tête des gens qui s'occupent plus de leur business que de l'avenir du métier. Mhm. Et ce problème, ça, il éclabousse aussi les autres secteurs. Les libraires, par exemple. Il y a un autre secteur qui n'existe pas, qui n'existe quasiment pas. Les distributeurs, il n'y a pas de distributeur de livres ici au Niger. C'est un mhm. maillon du livre. Donc, c'est un problème aussi pour, euh, pour, que, pour la diffusion des livres. Boubé m'a dit quelque chose de très intéressant, j'avais oublié. C'est vrai, le ministère en charge de l'éducation, par le truchement de la Banque mondiale, veut faire la promotion des ouvrages des auteurs nigériens dans les établissements scolaires. Mais là aussi, soyons clairs, c'est une vraie pagaille, une sorte de mafia que nous ne comprenons pas. On ne va pas entrer dans... Non, j'arrive, oh, euh, j'arrive. Non, mais quand on parle du livre, quand on parle du livre, il faut aussi soulever certains problèmes qui contribue à tuer le métier. Et on ne peut pas, l'auteur nigérien aura du mal à vivre encore de son métier quand le Niger tend à devenir une plaque tournante du piratage du livre. Oui. Non. Soyons sérieux. Donc, si tel est le cas, alors, autant pour moi publier chez un, si je peux courir le risque de me faire pirater par un frère nigérien, je préférerais publier chez un éditeur sérieux qui pourra après prendre un grand avocat pour, euh, pour s'en prendre euh, et défendre votre aux Parce que moi, je ne peux pas le faire. Donc, vraiment. Le problème est toujours la posée. Hein. les gens n'ont pas accès aux livres, alors ils passent par euh, le piratage, en fait. C'est pas les gens qui piratent, c'est la, politique du marché, monsieur. Non, mon cher. Ceux qui piratent là, pardon, c'est... Attends, pour votre information, c'est les pirates du livre nigérien, c'est eux qui inondent le marché de la sous-région euh, du, livre de classique des autres pays. C'est eux qui inondent les marchés de la sous-région. C'est une vraie mafia, là. Et ça, et ça, par exemple, Boubé Hamma, là. Afrique pleure. D'ici quelques temps, s'ils trouvent, s'ils entendent parler qu'un de ces livres marche, ils iront le pirater, il ne saura même pas à qui se plaindre. Il ne saura même pas qui poursuivre. Très sérieux. Et ça, ça tue le métier. Il va manger de quoi Et surtout s'il a mis son argent dedans. Il va vendre ça, tu vends ça à combien Bon, bref, l'autre, le dernier à combien ben, le, dernier, qui est sorti, il va se vendre à 2500. À 2500. Et le pirate vendra ça à 1000 francs. Parce qu'il ira en Chine faire photocopier et exemplaires. Finalement, proposons donc euh, des solutions puisque nous sommes pratiquement vers la fin de, cette, euh, de ce forum. Euh, Monsieur Souman Chamsou, quelles propositions avez-vous à faire en tant qu'enseignant Ça fait près d'une quinzaine d'années, sinon plus, que vous enseignez cette littérature au niveau du lycée. Alors que proposez-vous afin que ces ouvrages, nous avons même des ouvrages récents, tout ça, on ne voit pas ça à la portée des élèves, à la portée des scolaires euh, merci Michel. Michel, je pense que la solution est très simple. Mhm. Euh, le ministère en charge de euh, hein. l'éducation de l'enseignement secondaire. Il y a plusieurs ministères en fait. Oui, donc ça, nous avons... de l'éducation, l'enseignement secondaire, l'enseignement, oui, et surtout la culture à travers. on avait voulu inviter. On avait voulu inviter justement quelqu'un du ministère des enseignements euh, secondaires, mhm. mais après il nous a dit non, que c'est mieux de. Il nous a référé vers le ministère de la Renaissance culturelle. Mhm. Apparemment, il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Oui, c'est ça, je dis. Euh, il y a je disais surtout le, le, ministère des, chargé de l'éducation et de l'enseignement secondaire. Euh, ensuite, euh, il y a à travers le ministère de la Culture avec la direction du livre, doivent se mettre ensemble pour voir les moyens par lesquels ils vont renouveler les bibliothèques des écoles. La seule solution, c'est qu'il faut faire revivre les bibliothèques. Nous, quand on était au lycée, moi j'ai fait Crombé. Euh, eux, ils parlent déjà de la cherté des ouvrages. Parce que pour pouvoir les ravitailler, il va, falloir, il va falloir que les, les ouvrages soient accessibles. L'État ne mm. peut pas, un ouvrage qui fait 10 000 francs, l'État ne peut pas acheter. Vous pensez qu'il a prévu de l'argent pour ça mm. non. plusieurs années. Euh, non. Par exemple, euh, il y a Michel, s'il vous plaît. Est-ce que vous, vous le Michel. Oui, Moi, j'ai un problème sérieux. C'est-à-dire, je viens de voir à partir de votre inquiétude, les Nigériens ont les mêmes mentalités par rapport à l'école. Les gens voient que l'enseignement coûte cher. Mhm. Parce que si le Nigérien voit que acheter un livre pour les générations hein, futures, puisque un livre dans une bibliothèque scolaire peut faire 20 ans. Mhm. Si vous pensez que c'est cher pour un pays d'acheter des livres pour l'école, je pense que c'est tout à fait normal que on voit la dégradation de l'enseignement, de l'image de l'enseignant. C'est ça, c'est parce que tout le monde a cette même image. L'école coûte cher. C'est la même politique. Les premiers étaient venus avec cette volonté de travailler, mais ils sont confrontés aux mêmes euh, réalités. C'est que tout le monde voit que l'enseignement, ça coûte cher. Mais s'il vous plaît, si on voit que c'est difficile. Combien d'écoles Je disais tantôt, moi j'ai fait le Coromé, en seconde jusqu'en terminale. Et c'est là-bas, la, bibliothèque était à, cette époque très riche. Très riche. Moi, j'étais enseignant au Coromé. Quand des élèves ont commencé à voler les livres, je le dis, le professeur Chamsoudine est témoin. C'est des élèves qui avec la complicité des, bibliothèques, on a volé, on a retrouvé. Avec on était parti à Cram Cram pour retrouver plusieurs livres avec cachés. Hein. Donc ça veut dire que ça a duré que des élèves se permettaient d'aller vendre les livres de la bibliothèque. Ça veut dire quoi Que si, si, n'avait pas vu que c'était cher pour construire des bibliothèques dans les écoles, comment les dirigeants actuels vont voir que les livres vont coûter cher. Et surtout, nous sommes des Nigériens. Si c'est une politique, il suffit que les autorités convoquent tous les écrivains nigériens et les autres, leurs représentants, hein, pour qu'ils voient dans quelles conditions ils peuvent permettre à ce qu'on fasse une réédition de leur ouvrage euh, sans qu'ils ils puissent gagner quelque chose, mais pour garnir les bibliothèques. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il y a la famille de Bouhama, qu'est-ce qu'elle va voir pour ne pas accepter que l'État rédite les ouvrages de Bouhama dans le but de dans le cas dans le compte de l'État pour nourrir les bibliothèques nationales. Vous pensez que c'est un problème quel, quel que soit l'écrivain nigérien, si on lui demande de venir, nous allons, c'est l'État qui va prendre la réédition de ses ouvrages. Mais vous, vous n'allez pas avoir quelque chose en tant que Nigérien. Est-ce que vous pensez que l'écrivain va dire non Non, s'il vous plaît. Nous allons terminer avec euh, votre appel, euh, Monsieur Kadri Koda, parce que c'est vraiment des grandes préoccupations. Et il dit il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans l'école. C'est vrai, vous dites un ouvrage peut coûter 10 000, mais lui, il pense que l'État doit mettre ses moyens. Et L'État doit mettre euh, ses moyens. Et si l'État ne peut pas mettre suffisamment de ses propres moyens, les partenaires bilatéraux qu'il a là mhm. servent à quoi Nous avons un cas précis avec la Banque mondiale. Mais les bonnes initiatives dans notre pays, toujours sont entretenues par des pratiques mafieuses qui font que tout le monde rate je vous dis, nous sommes à la quatrième. Normalement, la, première, la, dernière vague, elle devrait finir avec depuis longtemps pour attaquer une autre vague. De l'argent de la Banque mondiale, pas l'argent des Nigériens. Donc, partant de là aussi, je, profite profiterai aussi pour dire que n'empêche, même si euh, les auteurs nigériens sont vulgarisés dans les, euh, dans les écoles via les bibliothèques, il faut aussi euh, que les Nigériens soient vraiment euh, connus à l'étranger et qu'ils s'affirment aussi à l'étranger. Du coup, je pense que euh, c'est intéressant de faire ce que euh, Boubé fait, que les auteurs nigériens continuent de s'échanger les les manuscrits, parce que c'est toujours l'image du pays qu'on reflète ailleurs quand on fait une bonne œuvre, quand on produit un bon livre, c'est une image positive du pays. Quand c'est médiocre, c'est une image négative du pays. Et je crois que les invite vraiment aussi les écrivains nigériens à écrire très, très sérieusement. Très, très sérieusement. Mm-hmm. Ça nous poursuivra. Hein. Très sérieusement. Merci. Nous allons donc euh, prendre à présent Boubé Hamar. avec vous, nous allons donc euh, terminer ce euh, forum. Monsieur Boubé Hamar. Pour clôturer. oui. de ma part, je vais dire que il peut bien y avoir évolution. Mhm. À condition. Un. Les distributeurs nigériens, en fait, les libraires, vu qu'il n'y a pas de distributeurs, je suppose que les libraires sont doivent être les distributeurs. Ils ne doivent pas attendre que l'auteur vienne envers eux. Dès qu'il y a une nouvelle parution d'un ouvrage nigérien, aussitôt il doit être contacté pour qu'il puisse y avoir des moyens à travers lesquels le livre pourra être disponible. Il y a un distributeur, mais sauf qu'il n'est pas de bonne foi. X ou Y, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. D'ailleurs, c'est la personne qui reproduit et commercialise les ouvrages des auteurs nigériens à sa guise, sans en être inquiété. Je suis témoin, j'en ai vu. L'association des écrivains nigériens, dont je suis également membre, bien qu'étant président de l'association politique et littéraire du Niger, avions porté plainte devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, affaire jusqu'à présent non ouverte. Alors, pour y remédier à tout cela, le projet de la Banque mondiale, qui investit des milliards dans l'achat des livres et puis euh, pouvoir alimenter une centaine de bibliothèques dans les, dans les écoles du pays, ce projet doit être juste. En faisant quoi Le ministère en charge de ce projet nous a appelés pour une première fois à des échanges à travers lesquels ils ont pris bonne note d'y remédier à l'attribution du marché, mais non, à notre grande surprise, on se retrouve avec un monsieur, celui-là même, qui reproduit les ouvrages à sa guise et les commercialise. Il y a des auteurs nigériens qui ont vu leurs œuvres livrées dans les régions du Niger sans que eux, ils ne soient au courant. Mmh. Alors, maintenant, pour un peu donner plus d'image à la littérature nigérienne, si vous permettez, un message à l'endroit du ministère de la Renaissance culturelle, un salon du livre international du Niger, à Niamey. C'est une proposition que vous faites. Exactement. Mais bon, s'ils arrivent à nous écouter, à entendre, les techniciens de ce ministère doivent étudier cette proposition. Elle est bien faisable. Nous sommes euh, donc euh, pratiquement au terme de cette euh, émission. fidèle auditeur. merci de l'avoir suivi. Nous avons eu comme invité M. Soumana Chamsou, qui est professeur de français. Nous avons également en notre compagnie M. Moro Kadri Koda. Il est le secrétaire général de l'Association des écrivains nigériens, comme invité également. Monsieur Boubehama, qui est le président de l'association poétique et littéraire du Niger, il est également membre de la dite association des écrivains nigériens. Nous avons eu à parler de la question de la littérature nigérienne. Il convient qu'il faut aider au financement du livre notamment avec euh, l'appui de la Banque mondiale. Ça va être euh, très bénéfique à la jeunesse nigérienne et à tout le pays. Il faut donc euh, penser à sauver les bibliothèques du pays. Ces bibliothèques ont existé depuis l'époque de Seine Kunche. Il y a lieu donc de penser à les sauver en mettant à la disposition des scolaires des livres. La question de la littérature doit être au rendez-vous et le président de l'association poétique et littéraire a terminé en lançant un appel en faveur d'un salon international qui permettra aux autorités de se pencher plus amplement sur cette question. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain à 18h15 sur les mêmes fréquences de nos radios partenaires pour un autre forum du studio. Passez une excellente soirée et au revoir.